chers auditeurs, amis jeunes de la FADA Mataranfoy, Euh, merci euh, d'avoir euh, choisi le studio Kalangu pour écouter nos programmes. Aujourd'hui, l'émission Tous à la Fada, nous sommes à Tawa. Nous sommes à Tawa pour enregistrer l'émission Tous à la Fada et nous sommes avec la jeunesse de Tawa, la jeunesse de l'ADER. Nous sommes plus précisément au stade municipal de Tawa, du stade au cinéma. Au micro, je suis Abib Garba la technique est assurée par Abdulkader Tchambiano. Aujourd'hui, nous allons parler des jeunes de la ville de Tawa face à la délinquance. Comment lutter contre euh, nous allons voir tout au long euh, de cette émission quelle est la contribution des jeunes ko karfo dum narango kande matno igite moda izfutara niger gergera la consommation illicite de stupéfiants un problème qui mine la jeunesse nigérienne des drogues et d'autres substances illicites d'une valeur de plus de 8 milliards de francs CFA ont été saisis en 2019 au Niger. Cette information a été apportée par Morou Amadou, le ministre de la Justice à Garde des Sceaux d'antan. Euh, nous allons euh, présenter euh, la situation dans sa globalité, déterminant aussi des produits illicites à consommer, leur impact, les conséquences, tout cela sur la jeunesse. On va voir ici à Tawa comment ça se passe parce que Dinez Fouterey, Dorogun de quoi aussi, euh, l'une des pratiques euh, auxquelles les jeunes euh, s'adonnent, pas seulement ici à l'ADER, un peu partout, c'est aussi la prostitution des jeunes filles. Un article du studio Kalangu publié le 1er avril 2020 disait, je cite, La prostitution est une réalité de certaines grandes villes du Niger, constitue un problème social qui se complique par le biais du proxénétisme et de l'exploitation des mineurs. Selon notre interview, la tranche d'âge est la majorité entre 11 et 18 ans. ngay no go ngay bonda eh, boriam traora à la question Le droit nigérien a-t-il prévu des sanctions contre euh, tout ça là Le magistrat Hama Idi disait euh, beaucoup de Et dans la ville d'Ottawa, le phénomène prend aussi de l'ampleur, mais c'est le deuxième arrondissement de la ville d'Ottawa qui lutte contre euh, la prostitution parce qu'il paraît que ils ont fait des salaires cheval de bataille. batailles. Outre la prostitution, à Tao aussi, ils vous souviendra, le 17 novembre 2021, un étudiant de l'Université d'Ottawa a été assassiné par un présumé délinquant. Dans notre émission d'aujourd'hui, nous allons voir euh, les différentes formes de délinquance juvénile dans la ville d'Ottawa. Qu'est-ce qui explique le phénomène Comment finir avec la délinquance Qui doit s'appliquer qu'est-ce que vous, vous faites en tant que structure de jeunes Parce que tu vas la structure kan kan il oh, Il faut il faut il faut il faut kan oh, c'est c'est une Vraiment vous êtes là. Écoutez pas comme cher au bonheur. Oh. Comme cher il ba il faut dire mais pas man comme cher <laughs> ah, c'est ne mal pas de minutes. Tout ça la fada c'est 35 minutes rubrique euh, musique chronique euh, avec euh, Olivier. Olivier, il faut nous ici. De quoi on va parler Aujourd'hui, on va parler de contradictions. Ouais, j'ai envie d'être un peu le petit rebelle. Enfin, je suis déjà ton petit rebelle adoré. Mais quand même, j'ai envie de t'expliquer pourquoi il faut avoir un rebelle dans une équipe. Il faut quand même la contradiction, quand même. bien. <laughs> Vraiment, hein. on va voir ça On va parler de contradiction, on va parler de rébellion dans la colline ce soir. Voilà, euh, Irg Fourgora. Par raison. Nino Quelles sont les formes de délinquance très, très, très, très, très, très courantes ici à Tawa Eh, delenkan su dum kan tawa egne mm. kan we ku tare gono mhm. kini na hanko gono tabu hanko han ko go gono et puis bore kan gi hamay hamay mm. hamay hamay bore gono donc <laughs> je dis que en général de wakan ya igi ngi kabudenia ok d'accord mm.

da wai borai da alborai mm. ikul gaba to adam han fo nigini gine wai borai no gaba me dindi equipe fo ko nigini asimanta alborai no gaba da wai borai mm. me ikul da igba haya wura amma wai borai hay kan gina im im furu im zam terera mhm. ibo bo yan manti ne wata wara ni wo igo tawa alanturo ra o igna rukano igna rukano o to wande le plus souvent igi di no imanto lokto monto wali siba bora o wali siba bora nigidi kan bara peut-être amte semaine hinka semaine hinza amiye ye ko exode wal libi wal cote d'ivoire wal ghana wal gabon to ni gidi bore din ye ka za akoi na guzuruka za kurnyo koy no za kurnyo koy na guzuruka afoyen kurnyo ba koi igi ne wo ni gidi ari yu fo kan hano kai igba ga ku bai hano na guzuruka tawa ag furgo e kuma da ka voilà el silence dans les activités malsaines mm, okay kal sur. to leila Vous, vous êtes dans ce qu'on appelle euh, santé, reproduction, vous êtes des ambassadeurs, ambassadrices, vous conseillez vraiment les jeunes à respecter tout ça là. Maintenant, sonda ine boro zakur nyo Qu'est-ce qui explique euh, le phénomène? Il faut nous quand agog bagum Mal boray e gara oy boray e gara. Boray e mba gon boragu zur sok tu kur gana ngumo. Sonda akata ogin Il faut nous guider. Bon. Ayo ek ni magage forcé non vraiment on te marie à une personne que vraiment tu ne l'aimes pas, tu n'as aucun sentiment pour elle. D'ailleurs, tu n'as même pas connu la personne. C'est le jour du mariage qu'on va te dire, voilà, c'est un tel qui est ton mari. Donc, tu auras du mal vraiment à rester vivre avec cette personne-là. Donc, pour toi, tu vas juste préférer quitter ton village. Peut-être si tu vas en ville, tu vas trouver quelqu'un de mieux ou bien tu vas trouver une activité que tu vas exercer. Alors que si tu viens, tu vas te faire face à d'autres réalités plus pur même que sexualité à la maison. Hmm, ok. Absalam, euh, vous, avez euh, toute la jeunesse avec vous. Vous avez eu des témoignages des jeunes qui sont dans l'affaire là pour nous montrer vraiment euh, que c'est vrai tout ce que Parisot a avancé là. justement, récemment, avec les radios Saraounéa, ils ont fait une enquête sur le truc de la prostitution. Donc, ils ont témoigné, eux-mêmes les, les acteurs, ils ont témoigné, voilà, c'est une réalité qui est là, et ils ont même témoigné les raisons qui les poussent à, embrasser euh, les activités népassées. On peut avoir quelques témoignages, si on n'a pas oublié. Qu'est-ce qu'ils ont dit Qu'est-ce qui, qu'est-ce, qui a Donc, il y avait une fille, je pense, qu'elle a dit... Euh, elle, sur le mariage forcé qui l'a poussé, elle-même, elle ne savait même pas c'est quoi les mariage, et c'est quoi même euh, les rapports, tout ça là, euh, la question de ménage, donc elle n'a pas euh, ses acquis là, elle n'a pas ses informations là nécessaires pour qu'elle puisse rester avec son mari. Donc c'est après avoir fait les mariages la puis, à sa grande surprise, le monsieur l'a attrapé la nuit. Donc, elle était pureuse, donc elle a quitté la maison le matin vers 4 heures. Elle a eu quelque chose pour sauter dans le véhicule rentrer en ville. Donc, euh, et du coup, euh, à son arrivée dans la ville, elle a eu un mec qui a une maison. D'accord. qui va s'occuper d'elle. Voilà. Mhm. Et elle est là-bas pendant une semaine. Euh, ça rien, juste la chatte des Gary pour avoir mm. quoi manger, tout ça là. J'ai des témoignages même euh, qu'on a arrêté même euh, des jeunes qui pratiquent euh, ce, phénomène. Donc le plus souvent c'est ça. Les jeunes, masala, il faut nous sont 90% hein. beaucoup dans un territoire. C'est pourquoi ils se mettent dans la vente des sépifiants de l'alcool, de la drogue, ainsi de suite. Et tout ce qui s'ensuit. Haruno quand c'est un réseau, hein. C'est un réseau qui ah, ne dit pas réseau son nom. Non. Réseau non, il dit quoi, il dit Ndei, ils, ils vont l'acheter à bas prix. Mais Néo dit Kaga Nira, Niki dit Kan Riba Kigudu, Agba. Donc facilement, voilà, tout le monde s'adonne. Quand un jeune n'a pas d'occupation, il faut que tu de quoi, à Sinda Kagti, Wat Kulti sort, n'est pas Bayanoukan Nukoy. C'est tout à fait logique et normal que, voilà, tu te lances et pour gagner ton pain, effectivement. Il y a, il y Effectivement. Il y a non. Donc il faut une prise de conscience collective pour te ouais. okay. Aria, c'est ça énergie. Vous, vous êtes avec les jeunes, qu'est-ce que vous dites aux enfants Parce que euh, cigare de no boag sintinda, you know, amdu drogue, du taba mefo. Yadin yadin mefo me yin you know, wandi yedo na ko, you know, abanda you know, akala saromte. matano il faut nara waran gone ise matano te bon en tout cas matkaran irgo ji sensibiliser hmm. iri na ga ka irgo gati matana arangote arangogi ah. sensible an woni se imse an ibobo no wali fona go ah. <laughs> kama irgo gi chebe denu zanga ba igoga han mhm. problem ki ga hingaron country oui e an dunyara ko ne iga mura bumbuda parce que yeah. j'ai entendu dire toute chose qu'on consomme abusivement comment c'est nuisible à la santé à la santé ya dinga ome ya ah, dinga no borno so ni gudu problem ome mm. o sanin kantamu <laughs> ai ga in yanga e dir babai ga o ine e kul kan da fude na e, les parents doivent euh, mettre un suivi o oh, me parce que son dindi ni izo da borfo ya kini ni la sabu o barawo gati à, travers le comportement de l'ami de ton fils mhm. tu peux savoir et est-ce que tu vas le laisser avec cet ami là et quel comportement penses-tu avoir à ton fils pour le futur est ce qu'il est bien entouré Est-ce qu'il est bien entouré Oui, amis gens de la fada nous sommes au stade municipal de Tawa pour parler de la thématique légende de la ville de Tawa face à la délinquance juvénile comment lutter contre gonexal kondiron fakara ir la rubrique rose toute nouvelle rubrique proposée par les girls du studio Kalangu pour les filles on se retrouve juste après tout le monde, bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles, une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne, des sujets santé et bien-être à l'éducation, aux sujets plus fun sur la musique, la cuisine, la mode et la culture. Nos jeunes mélomanes seront également servis sur cette rubrique. Du sport et bien sûr de l'actualité web bien croustillante seront traités et partagés par nos chroniqueuses. Coucou les filles, c'est Fanta. Avec moi ce soir, nous allons découvrir les secrets des produits exfoliants naturels dans les astuces beauté. Moi, c'est Ruki et avec moi aujourd'hui, nous verrons comment ce que nous consommons impacte notre haleine et quels aliments favorisent d'avoir une haleine fraîche. Et dans l'espace cuisine de Bibi, nous parlerons du bicarbonate de sodium, cette poudre blanche qui fait des merveilles en cuisine. Top, c'est parti! Fanta, un astuce tu parlais d'exfoliation tout à l'heure, c'est ça Oui, Rabi. Le gommage doit être mécanique en choisissant des exfoliants très doux avec des grains très fins pour ne pas agresser la peau. Pour le corps, l'exfoliation est déconseillée en cas d'eczéma ou de psoriasis dans le cas contraire, on pourra gommer mécaniquement en utilisant des exfoliants avec des grains moins fins. En ce qui concerne la fréquence des exfoliations, pour le visage, au maximum une à deux fois par semaine sur les peaux grasses, environ une fois par semaine pour les peaux normales, une à deux fois par mois sur les peaux sèches ou sensibles ou matures pour le corps, faites votre gommage au gré des besoins ou envie Maintenant, on va voir comment effectuer une exfoliation. Elle s'effectue donc après le démaquillage, la douche ou le bain. Appliquez l'exfoliant sur la peau propre et humide. Effectuez des mouvements circulaires et doux pour le corps, très doux sur le visage, puis rincez abondamment. Appliquez une huile nourrissante, abricot, argan, jojoba ou beurre de karité. Les exfoliants. Fabriquez votre exfoliant naturel et efficace avec des ingrédients tout simples dont vous disposez à la maison. Vous pouvez mélanger par exemple de l'huile d'olive, l'huile de noix de coco ou même du beurre de karité à un exfoliant qui peut être du sucre, du sel, de la poudre de coco ou de café, du flocon d'avoine ou encore la poudre de cannelle. Merci Fanta. <laughs> Moi perso, j'utilise souvent le beurre de karité et le sucre et c'est incroyable. Tu mets un peu sur le visage et sur tout le corps, c'est incroyable le résultat que ça donne. Ok, on passe à toi à présent. Salut, salut les filles, bienvenue dans cet espace santé et bien-être qui est consacré aujourd'hui aux aliments qui impactent notre haleine et ce qu'il faut faire plutôt pour garder l'haleine fraîche. Je vous laisse apprécier les propos de notre spécialiste en nutrition, Dr Abdrazak Bel. Il y a des aliments qui ont un effet négatif euh, sur la laine, les aliments comme l'ail et l'oignon, qui ont tendance à changer la laine euh, maintenant, autres éléments qui ont un effet sur la santé buccale, c'est les produits sucrés. Parce qu'il y a des micro-organismes qui se trouvent au niveau de la bouche, ont besoin de produits sucrés pour se développer. Donc, euh, plus on consomme des produits sucrés, plus on va donner euh, la latitude aux contaminants, aux micro-organismes qui se trouvent au niveau de la bouche de pouvoir proliférer et cette prolifération-là peut être également à la base de, cette mauvaise haleine. On peut également euh, améliorer cela il les fruits et légumes et surtout avoir une bonne hydratation. Lorsque on a une bonne hydratation de la bouche euh, en consommant suffisamment d'eau, donc cela peut avoir un effet favorable. Mais alors moi, ce que je voudrais savoir, c'est surtout comment se débarrasser de la laine de l'oignon. Moi, je sais que quand tu coupes l'oignon et que tu mets de la tomate sur ta main, euh, après, tu n'as plus d'odeur. Peut-être que ça marche dans la bouche aussi. là <laughs> aussi, pour les bienfaits, tu peux avaler la gousse. Ok, justement, là, on parle d'avaler. Euh, Ruki, tu as faim On va passer à la cuisine. D'abord, il semblerait qu'on peut remplacer la levure chimique par du bicarbonate de soude, genre en pâtisserie. Pour ce faire, mélangez une cuillère à café de bicarbonate de soude à 250 g de farine lors de vos préparations. N'en abusez surtout pas, celui-ci peut laisser un petit goût amer. Perso, j'ai pas encore testé, mais une fois fait, je vous reviendrai. Une simple pincée de bicarbonate de soude réduit l'excès d'acidité. Vous n'en laisserez pas une miette. Elle retire les odeurs des mains. Après avoir coupé l'oignon ou râpé l'ail, tu peux mettre de la bicarbonate de soude et puis paf, ça passe. Elle peut également attendrir les viandes. Ben, pour la volaille, il faut frotter l'intérieur avec du bicarbonate de soude alimentaire. Bien le répartir et laisser agir toute une nuit. Pour ce qui est de la viande rouge, c'est pas plus compliqué. Saupoudrer la viande uniformément de bicarbonate de soude après quelques heures au frais. Il ne reste plus qu'à rincer soigneusement. Maintenant, pour des repas hautes en couleur. Parce que des fois, tu vois, on cuisine, mais après, tes légumes ont à peu près la même couleur. Ou bien quand tu cuisines des feuilles, des feuilles vertes. Le bicarbonate de soude aide à maintenir cette belle couleur de nos légumes et de nos feuilles. Il facilite la digestion et neutralise le goût amer de certains légumes. Une dernière astuce euh, spéciale pour nos amateurs de sauce gombo avec notre blogueuse culinaire, Juma Khadija. On l'écoute. L'astuce du jour que je voulais partager avec vous, c'est par exemple quand vous faites de la sauce gombo, au lieu de mettre de la potasse, mettez un peu de bicarbonate dedans. La bicarbonate, c'est ça qui va maintenir la chlorophylle, c'est ça qui va maintenir la couleur verte du gombo et ça va le rendre très très très gluant. Donc ben, on va se dire au revoir avec Hakinso de Rekia Moussa pour clôturer cette rubrique. Bye bye tout le monde. la rubrique rosa de studio est Kalangu. On continue. Adam, explique-nous l'affaire là. Maintenant, il retourne Ténéo. Oh. Il n'y a pas de problème sans cause sans source sans cause racine la plupart dans ces pratiques malsaines darandi zankerno kan isin da âge kan permettre ici ils me ça c'est bon ça c'est mauvais et ils sont facilement influençables maintenant moi je suis avec Absalam il fume de la tabac par exemple entre griffes quand je ah, le vois ah, filmer, il ne filme pas. Ah, ok. Oui. Par curiosité, moi, je peux dire que, par curiosité, moi, je veux dire que, C'est ce qu'Arsalam est en train de faire là, pourquoi ne pas lui emboîter le pas ah, Et non, non, non, Et le plus souvent, il y a qui n'a L'être humain, il est intenté par de nouvelles choses. Oh, On a moto non demain, hélicoptère non Et sur de suite, nous avons un chicha, nous avons un cigari, eh, alcool, il y a quoi dedans Oh, je vais partir voir. Et suite. Et de là, tu deviens un délinquant professionnel effectivement On est un professionnel ah non un professionnel <laughs> ah non professionnel eh, explique-nous eh, comment on est arrivé eh, vraiment dans cette situation où voilà qu'est-ce qui explique vraiment la persistance du phénomène Bon, pour moi, je peux dire que c'est la fuite de responsabilité des parents. L'éducation, on doit insister sur l'éducation. Tant que l'enfant n'est pas bien éduqué, il peut se mettre dans tout si tu sais que vraiment pour mettre 10 enfants au moins, au moins tu ne peux pas les éduquer, vraiment ça n'en vaut pas la peine. Donc, c'est d'insister sur l'éducation vraiment des enfants. Mettre les enfants dans des bonnes conditions. Si l'enfant, il est là, il est bien éduqué, il mange à sa faim, il s'habille bien, je ne pense pas qu'il va penser à ce genre de pratiques-là. Vraiment, il va se mettre vraiment à se consacrer sur ses études. Adam

parce que principalement ego nous. ifono ignezei nous. ni c'est concrètement din tabahan la manière par laquelle tu seras vu par la société la voilà din haka ikte wala haka akten sega hamura nous. din kwaikte we kutare haka akten se nous. il se kan no is futuno ba nous. kwara zadin sintin isin ke gin goran digne ni se yani ya yani ya nimnan den nous. Tu es rejeté par ta famille, tu es rejeté par la société. Et en fin de compte, même si tu veux laisser, tu as du mal à avoir une réinsertion sociale inclusive. Okay. Donc, il faudrait voir l'enfant et pouvoir solutionner son problème, son problème. dès la source. Dès la source. Zabane ningone imdika. Eh, Denisi fonara warangote. Kangna ah, irmudu problème c'est solution zabanda. Oh. Amarango furtaje kungiya ira sonda ni kande ba kambugo tere yara wa salai bon. na angi bore don ngandi be kulum kayengi bonga entrepreneur voilà. kan to ifo naram gone furta jese kangana imste fu yaya wa alwat kul zar kul kayir ko yigite irgaga mhm. ni se wo karangote a garan dibo daran beri wor beri naran sima kaniyo son ran se wunan wunan sina an fo aran hingi jonti mhm. son igiza iga han kwa yadin agi hingi binai sara hali beri igite delan kayan iste amfani kulu societas se

Euh, tout d'abord, euh, je vais essayer avec euh, les différentes initiatives qu'on a réalisées. C'est très important. Dans la ville d'Etawa, y compris dans les villages périphériques de la ville Tawa en ce qui concerne la délinquance juvénile. Adamou récemment a parlé, a introduit sur le projet qu'on a réalisé, Initiative des gens en faveur de la paix et la cohésion sociale dans la ville de Tawa. Mhm. Donc, on a fait des caravanes de sensibilisation dans les écoles en milieu scolaire, tout en mettant l'accent sur la délinquance juvénile et aussi dans les quartiers périphériques Tawa, parce que l'enfant il est vulnérable. Nous, on a jugé utile de, l'assister dans le village périphérique Tawa, parce que c'est de là-bas que le problème se pose. Donc, c'est des enfants dont nous, nous pensons, si on arrive à penser à aller vers eux, c'est mieux que de rester ici dans la ville Tawa jusqu'à que les enfants puissent venir qu'on puisse les, sensibiliser. Euh, nous, euh, dans le cadre des, des initiatives pour éradiquer la délinquance juvénile, je pense qu'on a même fait des enquêtes dans les endroits très difficiles, dans les endroits où ces enfants-là pratiquent. Donc, euh, pour identifier c'est quoi le problème par rapport à la situation de Ok. Merci. Merci aussi. amis jeunes, nous sommes au stade municipal d'Etawa avec les jeunes. Les jeunes, nous sommes en train de parler aujourd'hui de la délinquance juvéline. On va écouter eh, la musique. le kudina bani sayan taba sayin sai dankali mai soka. Sayin albarka. Sai wari. Sai ta ilmi. Sai wata asaba. Akai musa. Sai kyamus kyamus ne ko ganga

buga mata to ka muna a buga mishi kai soho ga mutuwa nan a faɗa mata ban shirya ba yarinya ga mutuwa nan tela chamus chamus e kai dan gaskiya ir furo goyora kai kama goyo denia denizite bora kule ngo kokari yino moifo na taransi Adam Faberga, l'autorité, oh. l'État, voilà, on a vu, voilà, le deuxième arrondissement, ils s'investissent aussi. hino Parce que premier aspect, quand hino un comité de protection de l'enfant, il y a deux structures qui sont invitées à siéger dans ce comité. Il y a le CCNJ et le SCOUT. Je suis partie prenante aussi de ce comité et que chaque mois, on mène des réunions. Il y a la police, il y a le juge des mineurs, il y a la, maison d'arrêt, il y a la gendarmerie, il y a la protection de la femme, il y a tout ce qu'il faut appeler comme collectif de protection d'enfants. Maintenant, du di jeune yankan donc et parents est vulnérable nous. Isinda oh isinda hina kan ginge izi sambu. Jeune bobu yango no kan neo tawara irni placé tayari yando irni placé garage yando goy pour avoir un métier. Oh. Donc on est initié dans ce comité et que toutes les décisions sont prises avec nous. Comme on l'a dit, sans Digo décision, Sahara, c'est des problèmes. On est au décisionnel et comprendre les décisions avec nous, c'est important, c'est extrêmement important. Ça nous permet en tout cas d'apporter notre pays à la exemple. Maintenant, aujourd'hui, euh, qu'est-ce qu'on a entendu euh, Voilà, vous travaillez avec euh, les autorités et tout ça là. Qu'est-ce que vous vous attendez encore de l'État et ses partenaires pour finir avec Parce qu'il paraît que, voilà, Tubarika Il Goyom, Amban Gina. Voilà, merci Habibou. Oh. Je dis ton nom, mais tu as le nom de mon papa. Oh. <laughs> Par rapport à l'appui ou bien aux apports que l'État doit amener, je crois que l'État fait de son mieux. En tout cas, il gote ingehina. Wakan ihingite igogati. Mais à soi, Parce que haka igote de l'autre côté, il se foutera au Et igote wakan yang zanga ki igote il se foutera bara. Donc, il faudrait que ça soit équilibré. Okay. Je dis bien, en fait, pour mettre terme à ce truc-là, mm à ce phénomène qui fait la une dans toutes les régions du Niger. C'est pas seulement à Tawa. Oui, c'est pas seulement à Tawa. C'est pas non kulno. Kulno gandizu futu. Boriya mo na Ils Haya kulka e irgingite. Ils haka irgingite. Isfuteu. Igmi sambu Kenya. Autorité e kangono. Igmi sambu zanga izi inge izien. Bora kul musambu kan zanga inge famiono. Parce que ce qui fait le problème, c'est la société. Quel que soit ce que tu fais. Aujourd'hui, nous, en tant que jeunes même, quand tu approches un délinquant, il se fout Quelqu'un qui va t'apercevoir de loin, il ne voit pas la robe du jeune, euh, du jeune activiste des associations de jeunes. Eh, c'est ce qu'on va dire. Voilà, c'est ce qu'on va dire. Donc, même ceux qui veulent amener des, bonnes actions, qui veulent faire des bonnes actions, ont peur de ces préjugés sociaux. Donc, il faudrait que Borakul me dise Boré ou Kango Hayao, parce que moi, je vais appeler ça euh, des épreuves de la vie bien nité, il friga, mais il faut et puis ils ont réussi dans la vie. Donc c'est des épreuves de la vie. On doit considérer ces jeunes délinquants-là comme étant des frères. Les autorités doivent les considérer comme étant des propres fils. Donc à ce sens-là, on peut vraiment y Madori quand réalité quoi. Voilà, merci. Voilà, euh, merci. Euh, la FADA, avant de conclure, euh, on va avoir... Olivier, il a promis qu'il va parler de la rébellion ou bien de la contradiction, il je ne sais pas. Il faut, m'annoncer à la hauteur de ma chronique. Ah, Olivier, la contradiction, c'est pour te contredire déjà. voilà, c'est ça. Amis auditeurs et auditrices, chers amis de la FADA, bonsoir. Bonsoir. Dans la chronique de ce soir, j'ai promis parler de contradiction. La contradiction, c'est le fait d'avoir une idée opposée à celle de l'autre. Ce qui veut dire qu'on peut être des frères, de bons amis, et pourtant se contredire. Parce que, comme le dirait l'autre, de la contradiction jaillit la lumière. Mais il y a un problème. Il y a un problème. Le problème, c'est que dans d'autres sociétés africaines, surtout, il est interdit de contredire. Surtout quand on est jeune. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans les assises ou bien dans les réunions, celui qui contredit le plus est celui qui est le rebelle, est celui qui est mis à l'écart, est celui qui est mal vu, et limite celui qui est mal éduqué. Alors, comment peut-on apporter nos idées quand on n'est pas libre de parler, de penser et de dire ce qu'on pense, tout en bien évidemment respectant les règles de l'art qui sont la politesse, la courtoisie, l'empathie, nanani, nanana, tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes représentent leur père autour des tables. Mais combien sont-ils à pouvoir dire les choses telles qu'elles sont sans pour autant frustrer combien sont-ils à pouvoir dire les choses vraies sans pour autant être appelés après une réunion pour dire Hey, un tel, pourquoi tu as dit ça Fallait pas. Nanani, nanana. Combien sont-ils et qui sont intimidés Et moi, dans la chronique de ce soir, j'aimerais quand même rappeler une phrase de Montaigne, un grand penseur français, qui disait ceci Quand on me contrarie, on élève mon attention, non pas ma colère. Je m'avance, je m'avance vers celui qui me contredit, qui m'instruit. Entre autres, la contradiction, c'est aussi de l'instruction. Et j'aimerais quand même remercier tous ceux et celles à qui Dieu a donné le cœur d'écouter de la contradiction et d'en tirer le meilleur. Pour ceux et celles qui ne l'ont pas, je prie pour eux, prions pour eux, pour qu'ils comprennent que nous, les contradicteurs, nous ne sommes pas des ennemis, non plus des adversaires. D'ici là, portez-vous bien. Et à la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. Bye bye. Bye bye. Voilà, c'était là la chronique d'Olivier sur la contradiction, la rébellion. Mais bon, au finish, on a compris c'est quoi la contradiction. Merci vraiment, Olivier. Merci beaucoup. Ami Jean de la FADA, avant de finir, voilà euh, la dernière question. Après, on va conclure l'émission. Euh, la dernière question, elle est là, elle est simple. Euh, chacun me dit en 30 secondes, qu'est-ce qu'il faut faire pour dire voilà, et c'est fini, Tawa Vous, vous connaissez, voilà, la station est là, on a écouté des témoignages. Vous, avez, vous connaissez même les acteurs. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour finir Maintenant, il y a un ban. Euh, Maïno, c'est Aria. Aria, maintenant, il y a un ban. Qu'est-ce qu'il faut ba mo folo non ci ay ke go gadi zanga ita wando rol ki ge ki hin gajue ko normalement les jeunes la zanga haiki zanga kam irgo di sanga manti sin da goyno ya dinga ita ahim ga zanga gidan zanga zanga eta hem gida nongu fo kiga hinga du hay fo kiga hinga kiga hinga ok d'accord déplacer déjà les délinquants euh, voilà euh, dans des centres pour que imura de mite euh, par exemple ni mo ifo eh ni mite voilà ay wa hakay gni niger gomnato agogno bobu saga bon agogno bobu dépenser hayo de les infrastructures igote goudron nda frère frère je crois que pour un moment il me doit d'un et puis investir dans la réinsertion sociale de ces jeunes délinquants-là. Ok. D'accord. qu'est-ce qu'il faut faire euh, Pour moi, c'est vraiment, il y a un centre qui est en train d'être opérationnel. Moi, je plaide à ceux que ces centres-là, c'est des centres des enfants accomplis avec la loi. Je plaide euh, auprès des autorités et des autorités compétentes pour que ces centres-là soient opérationnels du super du temps. Je pense que c'est moi c'est ce que je vois parce que si ces enfants-là euh, sont orientés vers là-bas, ils, auront quelque chose à apprendre de métier et des écoles à faire. De, je pense que pour moi c'est la c'est la c'est la contribution d'Allah. Ok, Léla, Léla, qu'est-ce qu'il faut faire Bon. Comme l'ont si bien dit les autres vraiment c'est de trouver quelque chose qui peut occuper ces enfants-là. Il n'y a pas que des enfants. Il n'y a pas que les enfants. Bon, c'est vraiment de, de, trouver une source de gain de pain. Si on arrive à trouver Alors, moi, ce que je vois, eh quand mm. moi, je lis tout au changement de comportement. Mm-hmm. Je lis tout au changement de mentalité. Il faut que les comportements puissent changer, il faut que les mentalités changent. Il faut que les parents puisse accepter de comprendre que on n'éduque pas l'enfant à l'école. À l'école, on l'instruit sur la base d'un programme qui est établi par le ministère de l'Enseignement. Et que l'éducation doit venir d'eux et qu'ils ne doivent pas fuir les responsabilités. Ils doivent éduquer leurs enfants comme il se doit. Un hein? enfant bien éduqué, c'est comme un arbre qui grandit. De le début, son d'une tour oh. mm. C'est évident, tour Quand il il va jaillir, il va donner des fruits. Ah, et c'est évident. Donc, gourno. Oh, les parents doivent ne pas fuir leurs responsabilités comprendre que l'éducation c'est à la maison et que c'est à la maison qu'on doit éduquer l'enfant pour lui montrer les vraies valeurs niger on a des valeurs sociaux et que voilà on a le bon comportement et que jusqu'à présent certains sont en train de cultiver ces vertus donc on doit revenir à ça merci adam ni seno sani kokarago mbomatkaada mtidaino imgaba ndi sivyodi ngaparanga imdi imgaba ndi sivyoga yadinno paranga im gavani sivio ga im zankay gune gidi al hal kara go borom bayni zo mai banda nago yadin mono hinom ko kari amdu muradu kara no furta jay dan bo kayango is futarara babe mu gorfu babe targina argu fande nyanga hinne way bor ya wota way ne babe go gina ru gidi zankay na way boro hinne mo si zanka gayi nya hinne asi zanka biri me babe mu fa exodo way ne o bono irgi on kuna fakara gayi irgaram fondo go du surod ko karo kara na girhangan irangan furta jay sai ne ka is futara yin ga taban annamade kadde hino ne kambada borene ba hino amin goy kulga yam kasal furta jey kayen gogi sara dadu wey gan sag bana mi ko ngi murad fuente bore mone kay mi bira mbori bir mayrano ay kul gono borene nongu gon kay ka furta jey se nonga imi ba funanda mbori deni zuwa mane kal nya hinne sin ga zank gayi danga babai mom sidirga zank kayne nya hinne se zam nya hinno asin ga zank biri woyne no irin chargorbani haza wassalam